forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district the forum district Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Merci de nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Merci de nous suivre à Agadez où nous délocalisons pour la première fois ce forum une façon d'être plus proche de celles et ceux qui nous écoutent. Le forum du studio Kalangou délocalisé à Agadez, c'est une série de quatre numéros exclusivement consacrés à la région. Nous sommes à Agadez avec le soutien de la radio Nomad FM, notre partenaire diffuseur, et la radio Sahara FM qui nous offre son studio pour les différents enregistrements. Pour ce troisième numéro, nous allons faire le pont sur la sécurité de la région. Agadez, ce haut lieu de tourisme qui a fait le nom du Niger, mais aujourd'hui instable. Nous pouvons nous rappeler les rébellions des années 1990, 95 et 2007. Par la suite, ceux qui ont pris les armes les ont déposés au profit de la paix et du développement. Agadez a été par la suite anéanti par l'implantation des mouvements djihadistes. On peut se rappeler l'enlèvement en septembre 2010 de sept expatriés travaillant pour l'entreprise française Areva et l'entreprise Satom Vinci dans la ville d'Arlit. On peut aussi se rappeler cet attentat suicide du Mujao en mai 2013 contre une caserne située en plein centre-ville, bilan officiel, 24 soldats tués. Et puis, ces ambassades occidentales qui alertent quotidiennement le ressortissants sur le niveau de sécurité. En décembre dernier, par exemple, l'ambassade de France classait certaines zones en orange et d'autres en rouge. La vigilance est toujours de mise. Enfin, Agadez, depuis la chute de Muammar Kadhafi, est une plaque tournante de tous les trafics transsahariens, trafic de véhicules, trafic de migrants clandestins et trafic de drogue. En 2013, selon le Sahel quotidien, les forces de défense et de sécurité ont saisi plus de 313 kg de chanvre indien, 58 kg de cocaïne et plus de 45 000 comprimés de tramadol et de diazépam. La paix à Agadez est une réalité, mais elle est fragile car le terrorisme aussi hante les esprits. Malgré l'installation des bases occidentales, les États-Unis et la France notamment, la paix et la sécurité dans la région d'Agadez, pour en parler, nos invités sont la vice-présidente du réseau des femmes actives pour la paix, Madame Azara Ataïf. Bonsoir. El Kunchi Mohamed, promoteur d'agence de tourisme. Bonsoir, Monsieur El Bonsoir, Enfin, Ibrahim Manzodialo, qui est journaliste et qui suit les questions de sécurité dans cette première partie, nous avons invité bien sûr le gouvernorat qui est bien habilité à donner une situation de fait. À défaut, on a pu quand même interroger le secrétaire général du gouvernorat qui a bien voulu nous faire le point de la situation et je vous propose de suivre Yahya Goudi. Je dois vous dire que la région d'Agadez sur le plan sécuritaire se porte très bien pour plusieurs raisons. Euh, rappelez-vous des grands événements que nous avons abrités dans la sérénité de la paix, la tranquillité, la sécurité, mais parce que c'est là où nous avons avons eu l'occasion, en fait, d'assurer les, les à Gaza, n'est pas sur la touche rouge. Mais ça n'empêche quand même, puisqu'il n'y a, a, pas d'insécurité zéro, n'est-ce pas Parce que, comme je vous dis, dans tous les pays du monde, quelle que soit, n'est-ce pas, la sécurité qui, qui règne, on ne peut pas éviter, n'est-ce pas, certains malfrats isolés. Donc, il suffisait d'un seul acte pour l'amplifier, cette Agadez est un vaste territoire qui nécessite un contrôle assidu, un contrôle permanent pas, de, de FDS. Mais on ne peut pas empêcher à certains de dire ce qu'ils pensent. Parce que même s'ils disent que c'est une zone de trafic de drogue ou de ceci ou de cela, c'est généralement avec les migrants là. La migration que nous combattons, c'est avec les gens se servent de, de, ces migrants. Parce qu'un véhicule qui va à Libye, on voit entrer en Libye, chaque, on a tous, tous ces renseignements, entrer en Libye de deux ou trois, cinq camions vides. Mais vous savez qu'ils ne vont pas revenir de, de la Libye. Le résumé de la situation actuelle de la sécurité vue par le secrétaire général du Gouvernement de la région d'Agadez. Chers invités, vous venez d'écouter Yaya Goudi, madame la vice-présidente du réseau des femmes actives pour la paix à Agadez. Quel est votre commentaire, peut-être avant votre commentaire sur la situation euh, Vous allez nous présenter votre réseau. Qu'est-ce que vous visez et c'est quoi le réseau des femmes actives pour la paix On fait partie du comité de la paix de la, du conseil régional d'abord et euh, ensuite euh, nous avons des associations, euh, un consortium d'associations qu'on a regroupées pour lutter aussi euh, vraiment pour la paix. Vous venez de suivre le secrétaire général du gouvernorat. Quel est votre, mm-hmm. qu'est-ce que vous avez ajouté Est-ce que vous êtes totalement d'accord avec lui il y a la paix, mais ça n'empêche, il n'y a pas de risque zéro, si je résume. Oui, moi je pense qu'il a parfaitement raison. Vraiment, il a raison. La paix à Agadez, nous, on les voit toujours euh, presque euh, à 100% par rapport au monde qui nous entoure de, tout, de tous les côtés. Et c'est pourquoi on ne comprend même pas pourquoi on dit qu'Agadez est en zone rouge ou même orange. C'est une donnée de l'ambassade de la France euh, en décembre dernier. Allez-y. Oui. C'est ça, mais on ne voit pas ça de cette façon-là. Pourquoi ça là Est-ce qu'il y a des gens derrière qui ont l'intérêt à ce que l'Agadez soit sur la zone rouge C'est ça, peut-être c'était ça. Sinon, on ne voit pas. Pourquoi on peut dire qu'Agadez est le même orange plus forte raison qu'il soit rouge. Sinon, il n'y a pas vraiment l'insécurité comme on l'entend. On parle des djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes à Agadez. Non, à Agadez, la région d'Agadez, il n'y a pas de djihadistes. Dieu nous protège. Vraiment, on ne voit pas ça de cette façon-là. On va, approfondir tout cela. Le temps de donner la parole à El Kunti, qui connaît aussi bien la région et qui s'intéresse à la question de la sécurité. Mm-hmm. Vous avez suivi euh, le, secrétaire général du gouvernorat. Mm-hmm. Votre appréciation de la situation actuelle. Je vous ai suivi vous aussi. Oui, hein, sur la base de eh, oui. Moi, je trouve que il y a des esprits qui veulent maintenir Agadez comme zone rouge parce que eux seuls connaissent les critères sur lesquels il faut dessiner, il faut colorer une région en rouge ou en bleu. Donc j'espère que le temps arrivera et, certainement ils seront plus puissants que. Ces esprits sont connus si, on s'en tient à ce que nous avons dit. En tout cas, nous, l'ambassade de la France une donnée en 2016, hein, décembre 2016. dire, simplement que c'est l'ambassade de France, c'est aussi les réduire parce que je pense que c'est peut-être l'Élysée. Euh, cette région n'est pas plus instable que la région de, de Niamey. Il y a eu des enlèvements à Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger et presque toutes les chancelleries sont là-bas, tous nos partenaires sont là-bas. Donc, euh, il y a eu plusieurs événements à Niamey et Niamey a, a reçu beaucoup de, des attaques sur sa frontière qui sont la frontière de Niamey avec euh, le Mali, c'est à peu près 150 km maximum 200. Donc, aujourd'hui, <laughs> s'il y a un endroit qui est, une ville qui est plus menacée par les barbus, moi je dirais comme ça, parce que c'est pas des islamistes, c'est des terroristes. Donc, c'est la capitale. Donc moi je trouve aussi qu'à un moment donné, moi je suis responsable d'une, euh, je suis secrétaire général d'une euh, ONG qu'on appelle l'Alliance pour la consolidation de la paix. À un moment donné, après les, rébellions qui se sont succédées, les populations d'Agadez se sont décidées de, de chercher la paix et de sensibiliser les populations à faire de la paix leur priorité, d'où la création de cette ONG. Et nous avons fait des caravanes de la paix dans tout l'Aïr, et, l'État Messna et les environs pour sensibiliser les gens à faire de la paix une priorité. Malheureusement, bien qu'on a constaté que les gens étaient prêts à faire la paix et, que chacun était déjà touché par le conflit, donc découragé des rébellions et autres, donc chacun était engagé vraiment pour maintenir l'État informé et les autorités de sa place informées de tout ce qui paraît bizarre malheureusement, eh, nous pensons qu'il y a eu certaines dispositions que l'État ou les autorités n'avaient pas prises. Nous, nous, allons revenir sur ces aspects. C'est juste une première analyse. Le temps de donner la parole à Ibrahim Manzo. La sécurité, elle est là, c'est clair. La sécurité est là, Agadez. Le secrétaire général du gouvernorat l'a dit. Il dit que Agadez se porte bien sur le plan sécuritaire. C'est vrai, mais ce qu'il faut surtout révéler, c'est que cette région Agadez C'est pratiquement le dernier verrou qui reste sur toute cette bande sahélo-saharienne. Toute cette bande du Sahel, elle est aujourd'hui plongée dans, dans des couacs euh, insécuritaires incroyables Je parle du Nord Mali, je parle du Sud Libye, je parle euh, pratiquement de tout ce qui se passe à la lisière des frontières de, pays comme l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali. Agadez est pratiquement le dernier verrou. Mais franchement, je le dis franchement, les autorités nigériennes négligent cet aspect du dernier verrou d'Agadez. Pourquoi Je m'explique. Le, secrétaire général du gouvernorat parle de la réussite de, certains festivals culturels qui se sont passés dans la région. Il y a la il, a parlé de la Sokni, il a parlé le Fima. Mais tout ça grâce à quoi Quand même, c'est pas grâce à l'appareil euh, militaire de l'État. C'est aussi grâce à la conscience de la population locale. Les populations locales se sont réveillées, elles ont promis à elles-mêmes d'abord, à leurs euh, chefferies, à leurs élus, à leurs autorités centrales Niamey qu'elles vont œuvrer pour la paix. Et toutes ces années durant, ces populations ont œuvré pour la paix. Et je vous assure, c'est une dynamique qui continue. Mais que fait l'État pour entretenir cette dynamique Nous reviendrons en détail dans les débats. Je, je vais donner la parole à Mme Azara. Vous êtes d'accord que la zone est stable, la zone est sécurisée, mais vous avez quand même parlé du Conseil régional de la paix qui a été mis en place et dont vous êtes membre actif. C'est quoi ce conseil Qu'est-ce que ça vise et dans quel but si tant est qu'il y a vraiment la paix, on a besoin euh, de tout ce dispositif-là Si on a besoin de la maintenir, c'est la maintenance. Parce que la zone est fragile, euh, c'est pas fragile, mais pour la maintenir, pour vraiment faire, comment dirais-je, comme un mur entre nous et l'extérieur, ou euh, ce qu'Ibrahim disait là maintenant, on est entouré quand même par des pays où vraiment s'est déstabilisé par l'insécurité. Donc on a besoin vraiment de faire, euh, de faire, de sensibiliser la société civile dans la région d'Agadez pour vraiment maintenir cette paix-là. Et pour la maintenir, c'est comme ça qu'il faut. Il faut vraiment créer des groupes qui vraiment qui sont là, qui sont conscients. Comme il disait tout à l'heure, grâce à la société civile, la population qu'on a peur de, pénétrer pénétrer Agadez aujourd'hui, c'est pas par la peur de, l'armée, c'est parce qu'Agadez est très très vaste, très vaste. Et partout, c'est des portes où on peut rentrer. Mais quand les habitants même font attention à tout, donc moi je pense que les malfaiteurs ont peur de pénétrer cette région. Monsieur Conchi, moi je confirme qu'Agrès est plus sécurisé que Niamey. et Paris. C'est vous qui le dites. Hein? Oui, je l'ai dit, je, je valide. Alors, il y a quand même eu une dynamique, les gens se sont entendus, il faut que l'on s'organise pour consolider cette paix. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière. Non, il y a le seul conflit nous, qu'on a connu ici là, ce sont les rébellions. Et les rébellions, ce n'est pas une, affaire étrangère au pays. Les Nigériens la connaissent quand on s'engage, quand une communauté s'engage à se rébeller. heureusement d'ailleurs qu'à aucun moment ils n'ont parlé, les rébellions n'ont fait révéler des intentions de diviser le pays. Donc, c'était des revendications, soit que les gens pensaient être légitimes, en tout cas contre un système ou quelque chose comme ça. Et, quand il y a des rébellions, on sent concrètement qui est dedans, que dans la région, il y a vraiment un conflit sérieux, donc avec lequel on doit tenir compte et qui peut déstabiliser la région. Mm. Maintenant que nous nous sommes engagés nous-mêmes, parce qu'on les a, on les a travaillés, on les a étudiés ces conflits, ils ne nous amènent à rien. Ces pays-là, personne ne veut nous enlever dans ces pays-là. Donc, nous aussi, on doit apporter notre contribution pour construire ce pays-là. Et nous avons fait de cette euh, euh, initiative-là la paix. La paix est un des facteurs qu'il faille pour contribuer à la consolidation, à la stabilité de ce pays, qui est le nôtre, et que euh, donc à travers ce que vous avez constaté, l'engagement des responsables de cette région a fait l'émergence de ce comité-là pour répondre à chaque fois que c'est nécessaire, soit de la région vis-à-vis des dirigeants du pays, ou soit de la région vis-à-vis des citoyens qui veulent ou qui sont emportés pour déstabiliser ou, qui, qui, des intentions. Donc il y a l'engagement des leaders, des euh, euh, leaders locaux, l'engagement des, populations de général et l'État. Euh, L'État, l'État a tort sur certains points. L'État a toujours affirmé qu'il veut de la stabilité dans cette région. Et nous avons rencontré les autorités de ces pays-là à plusieurs reprises en tant que société civile en tant qu'acteur de la société civile, nous avons dit les mots de cette région, que l'État possède, dont l'État possède les remèdes immédiats, c'est-à-dire les décisions, elles coûtent zéro franc. Mais l'État ne les fait pas. Nous avons dit que ce pays, comme vous l'avez souligné, fait frontière avec trois pays géants, donc l'Algérie, la Libye, le Mali, le, le Tchad et le Nigeria. De la même manière que nous traitons nos frontières avec respect et considération et contrôle rigoureux avec le Nigeria, le Bénin, le Burkina, on doit avoir, l'État doit s'arranger pour contrôler les frontières, pour avoir des postes frontaliers avec la Libye et il l'a pas fait. il, y a, un seul poste militaire, je le confirme, et nous avons même parlé de cela au Premier ministre. Nous avons dit qu'il y a même un manque à gagner à l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'avec le business florissant et, légal, certainement. Il est légal, le business des véhicules. Aujourd'hui, euh, on a mis fin, par exemple, les Nigériens ne consomment plus les véhicules du port de Lomé qui sont des de 94 ou bien 99 ou bien rouillés. Les Nigériens consomment des véhicules neufs des années 2010 à 2016 ou 2015 à très bon prix mmh. par la Libye. Je vais revenir avec Madame Azara qui n'a quand même pas parlé de l'apport de l'État, de la présence de l'État pour la dynamique de la paix l'État est-il vraiment présent au-delà de l'engagement des populations, euh, des autres citoyens comme vous Est-ce que vous critiquez l'État Oui, peut-être. Euh, oui, peut-être je peux aussi les critiquer parce que l'État n'essaye pas de comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense, quelles sont nos, idées pour vraiment bien consolider cette paix. Alors, c'est là où je pense que l'État est un peu tort, parce que même euh, quand on voit tout ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation, on est en train de parler de la décentralisation, mais nous, à on n'est pas décentralisé. Il y a des communes, il y a des maires qui sont élus. Il y a des maires qui sont élus. Comme toutes les autres régions. Mais, mais les autochtones d'Agadez ne tiennent pas des responsabilités qui peuvent leur permettre de gérer la région comme il leur faut. C'est là où je pense que l'État, il faut qu'il jette un coup d'œil sur cette décentralisation d'abord. Mm, concrètement, sur quoi il faut mettre l'accent Oui, je peux même parler du conseil régional. Le conseil régional, on a élu le conseil régional, mais qui ne possède pas des moyens d'exercer, de travailler comme il faut. Ibrahim, euh, euh, je dis que la politique sécuritaire de l'État du Niger, surtout dans une vaste région comme, le, comme celle d'Agadez, euh, laisse à désirer. Je m'explique. On sait très bien que actuellement il y a des bases militaires étrangères qui sont à Agadez. Ces bases militaires, il y a l'une qui est juste à côté, à 2 km de la Gadez. Il y a une autre qui est à Madama. Il y a d'autres euh, forces étrangères euh, présentes vers Aguelal. Donc vous voyez, je me dis que euh, le Niger est quand même à même de gérer sa sécurité et non pas de la sous-traiter avec d'autres forces étrangères qui ont d'autres dessins, qui ont un chemin autre que notre survie dans la tête. Je m'explique aujourd'hui. Il y a eu combien d'attentats au Niger depuis l'installation de ces bases Il y a eu combien eh, de colonnes de, djihadistes qui ont passé à travers les mailles de ces forces Et aujourd'hui, l'État du Niger dit qu'il sécurise euh, le pays. Le Niger est vaste. Sa partie nord, elle est immense. Tout à l'heure, El continue l'a dit, il n'y a pas véritablement de postes de contrôle surtout, surtout avec euh, le sud Libye. Le sud de la Libye, je dis pratiquement la Libye a fait naufrage aujourd'hui. Avant la chute de la Libye, les populations d'Agadez étaient les premières à se soulever pour dire attention, c'est la, euh, Libye qu'on bombarde, mais c'est Agadez qu'on tue. Et voilà, aujourd'hui, six ans après, l'histoire nous a donné amèrement raison. Aujourd'hui, il y a du tout. Il y a du tout venant à Agadez. On va parler de ce tout. elle continue, c'est du tout venant. Euh, tout venant est-ce que la Libye, on va parler des répercussions quand même de la guerre en Libye et puis euh, du Mali qui ne se porte pas bien. et la conséquence, c'est que Agadez fait face à un, trafic euh, vraiment de tout genre, hein, trafic euh, de véhicules, vous en avez déjà commencé à parler, trafic de drogue. Parler à quelqu'un qui, connaît très bien son pays, qui a fait presque tout le département de euh, ces, mais Ces trafics, c'est des, réalités, non C'est pas des réalités. Il n'y a pas de trafic. Il y a le trafic, de véhicules. Le trafic de véhicules, il est là. Mais euh, il est, si, vous, si vous le suivez, il est légal. Parce qu'il y a des postes de contrôle et ces véhicules passent pour avoir des papiers pour rentrer sur Agadez. Qu'est-ce qui fait tout ça On vous dit, on a déjà averti les autorités. On leur a dit de faire une frontière normale, comme ça s'est fait avec les autres pays voisins. À Madame que l'armée qui gère. Alors vous voyez, c'est tout en océan la Libye. Vous avez les marchandises, vous avez les véhicules, vous avez les, réfugiés, Tous les exilés qui reviennent, tous les migrants. Donc c'est une grande frontière que l'État laisse comme ça à l'armée. Et l'armée, il n'y a pas la police n'y a pas la douane, il n'y a pas la gendarmerie. On a exigé du Premier ministre que l'État n'a qu'à être présent là où il doit l'être. Et de quelle raison il va l'être 50 ans sur la frontière du Nigeria, il n'est pas sur la Libye. On ne peut pas quand même accepter qu'on soit des voisins à des pays riches comme l'Algérie et la, Libye et ne pas savoir profiter d'eux. Il, y a cet aspect. Cet Maintenant, aspect, de non-protection de la frontière, si je comme comprends bien, Madame Azara. Quelles sont, selon vous, les conséquences de la chute euh, de M. Kadhafi, euh, les répercussions dans, sur la sécurité ou du moins sur le développement de façon générale de la région d'Agadez. Quelle est votre analyse Comme il a dit, c'est vraiment ça. La Libye comme bombarde, mais c'est Agadez qu'on tire. Vraiment, nous, le, on a beaucoup senti le, problème libyen. Vraiment, c'est les premiers. Euh, euh, c'est la première ville du, Niger qui, a senti euh, ce ces problèmes parce que nous avons une partie de la population d'Agadez déjà qui habite en Libye depuis 84. Hein. Donc vraiment, c'est une, famille. Euh, en fait, c'est un quartier d'Agadez, la, Libye. Donc, c'est vraiment c'est un autre quartier d'Agadez parce que toute la, population d'Agadez a une autre famille qui, habite en Libye depuis des années on a vraiment senti ces problèmes-là beaucoup, beaucoup, et c'est beaucoup. Quand on dit Agadez est devenue une zone de trafic de tout genre, euh, c'est la réalité pour vous Trafic de drogue, trafic de véhicules, trafic. Euh, eh bon, ça c'est l'absence, c'est l'absence de contrôle de l'État qui a amené ça. C'est Vraiment, c'est ça qui confirme que notre gouvernement est absent vraiment euh, dans cette région-là. Ici, ils sont là, ils sont là, mais c'est pas comme il faut. Quoi. Il faut que l'État même s'organise pour faire des postes euh, là où il faut et pour faire le contrôle qu'il faut parce que le trafic de tout genre, nous ici dans la ville d'Agadez, euh, c'est ça qui nous vraiment brise les cœurs. Ça, nous fait très très mal parce que les migrants qui viennent, le côtier qui viennent d'ici, euh, leur argent de poche, c'est la drogue. Donc, euh, s'ils ne peuvent pas transporter beaucoup d'argent dans leur poche, ils transportent de la drogue qu'ils vendent partout où ils passent. Donc, ça se vend à Agadez, partout. L'État ne fait pas grand-chose pour contrôler ça. Et aujourd'hui, la jeunesse d'Agadez, elle est vraiment détruite par cette drogue-là. Et le Niger va encaisser après. Hein. parce que si j'ai dit la jeunesse d'Agadez, il n'y a pas que les gens d'Agadez il y a tous les, les, habitants du Niger, tous, les Nigériens, ils habitent à Gadez, donc leurs enfants, ils vont consommer de la drogue. tout, le monde, peut en partir. Pour tout le monde. Donc vraiment, ça, vraiment, c'est quelque chose dont l'État est, au courant depuis très longtemps, mais ils n'ont rien fait. Bon, même s'ils font quelque chose, ça ne suffit pas. ça On les voit toujours. Euh, le, trafic de tous genre. Le trafic de tout genre, Amado, ne concerne pas Elle continue à parler de véhicules qu'il trouve tout à fait oui, normal. Au-delà, on parle de trafic de drogue. Moi, je, parlais de chiffres de 2013, hein, où il y avait plus de 6, 313 kg de chambre en 2013, hein, et la cocaïne 58 kg selon le gouvernorat. C'est quand même un peu inquiétant. J'irai au-delà, Amado, de la région d'Agadez. Le trafic depuis l'instabilité née euh, de la chute du colonel Mohamed Kadhafi en Libye, depuis euh, euh, cette guerre incroyable qui, a secoué la Libye et qui a fait que la Libye est tombée, nous avons assisté à une floraison des trafics en tout genre. Et ces trafics sont devenus carrément le nerf sciatique de ce qui se passe sur la bande sahélo-saharienne. Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de véhicules bondés de drogue du kiff marocain qui quittent la Mauritanie, qui traversent carrément euh, le nord Mali, qui traversent certaines communes de la région de Tawa, qui, qui, qui, qui euh, vont directement traverser d'autres communes de la région d'Agadez jusqu'à euh, aller dans le désert libyen et au-delà. Mais ce trafic, tout le monde sait que c'est un trafic organisé. La preuve, il y a même un député qui vient d'avoir son immunité parlementaire levée. Pourquoi Parce qu'il y a des forts soupçons sur lui de trafic de drogue. Donc dire que eh, la région d'Agadez est propice au trafic de tout genre, c'est stigmatiser la région d'Agadez. C'est toutes les communes qui longent la, la frontière malienne, Niger, Libye, Algérie, qui sont concernées par ce trafic, trafic de drogue, trafic d'armes. Donc il ne faut pas nier la vérité. Agadez, Tawa, il y a beaucoup d'autres euh, régions, Niamey, qui sont concernées par ce trafic de drogue. Aujourd'hui, les barons de ce trafic de drogue ne sont pas les petits chauffeurs et, qui, sont d'Agadez ou de Tawa. Elle continue. c'est votre avis aussi. Il a tout dit. Est-ce que c'est organisé ou c'est vraiment la conséquence de la situation en Libye Non, non, non. C'est-à-dire même si Kadhafi était là, euh, ça va se passer de cette manière. Parce ça s'est toujours passé comme ça Parce que moi, je pense que c'est un ancien business qui a si vraiment infiltré euh, les autorités nigériennes au plus haut sommet de l'État, puisqu'il euh, euh y a un grand blanchiment d'argent autour de cela et au niveau des plus hautes autorités, autorités du Niger, on constate que ces, dealers euh, de drogue ou d'armes sont là, bien assis, alors qu'on les connaît dans d'autres réseaux. Nous allons parler des conséquences de quand même tout ce, de tout ce qu'on vient de dire, les conséquences sur le plan on va prendre l'aspect tourisme, d'abord. Madame Madame Azara C'est très dommage pour euh, vraiment le Niger, Parce parce qu'Agadez, le tourisme Agadez fait vivre le Niger entier. Oui, mais puisque vous dites qu'il y a la sécurité, pourquoi le tourisme n'a pas repris euh, Oui, le tourisme n'a euh, on, ça n'a pas pris, oui, ça n'a pas euh, été laissé à ce qu'on les prend. Ça, ça je ne sais pas, comme on a parlé de ça tout à l'heure, pourquoi on veut maintenir Agadez en zone rouge. Donc c'est pourquoi le tourisme aussi ne peut pas démarrer. Et sinon, vraiment, on peut démarrer le, le, tourisme. Nous avons même des clients qui demandent toujours à ceux qu'ils viennent à Agadez, mais on leur dit, ah, pas de visa, en tout cas, on vous, si vous prenez votre, on vous donne pas les visas pour aller. Si vraiment il faut aller à Gadez, donc ça, c'est vraiment, c'est pas l'insécurité. On revient toujours à la question de tout à l'heure. Pourquoi on veut maintenir Agadez en zone rouge Mais c'est pas l'insécurité qui empêche les touristes aujourd'hui, ni même les touristes, et même parce que moi j'avais une euh, agence de tourisme. Et d'ailleurs, j'ai travaillé dans une agence, la première presque agence d'Agadez qui était Met Voyage. Et après, euh, j'ai créé une agence propre à moi-même qui est Desert Tour. Alors, je connais vraiment ce que c'est le tourisme, ce que c'est le tourisme. Nous avons toujours des gens qui, ont, envie, de venir, qui, qui plairent vraiment pour venir à Agadez mais on ne leur donne pas les visas. On leur dit si pour aller faire le tourisme à Gadez il ne faut pas aller. S'il faut aller à Niamey, d'accord. D'accord. Mazo, euh, Zara, Azara semble euh, directement pointer euh, les Occidentaux, les Européens, les, les, Français, les Américains, hein, moi, entre autres moi, J'ai l'habitude de les dire on a assez. On en a vraiment assez de ce coloriage. Un coloriage qui nous tue tu tues notre économie. Je ne vois pas pourquoi le ministère des Affaires étrangères français, prenons l'exemple, va mettre toute une région à rouge juste parce que cinq de ces ressortissants ont été enlevés. Et enlevées comment Il y a toute une machination, il y a tout un... Euh, c'est un imbroglio politico-juridico-stratégique qui, qui, s'en est suivi après l'enlèvement des, des Occidentaux d'Areva. Depuis leur enlèvement, pratiquement, on a mis un point, on a mis un frein à l'activité touristique dans la zone nord euh, du Niger. Mm. Madame Azara l'a dit, c'est que derrière cette, ce, ce, coloriage rouge, il y a beaucoup, beaucoup de choses, des non-dits. Eh bien, on colorie Agadez en rouge parce que le sous-sol d'Agadez est riche c'est du protectionnisme que la France fait sur ses ressources minières. Je ne dis pas nos ressources minières, quoi que... ressources minières. mais Pourquoi Parce que le Niger... Les, touristes, on parle de tourisme, on ne parle pas d'autre chose. En quoi est-ce que eh, des touristes qui viennent Faire peur, faire peur à d'éventuels partenaires qui veulent venir investir dans la région d'Agadez, dans le minier, dans les mines. Il faut faire peur à des simples voyageurs qui veulent voir juste les beaux paysages d'Agadez. Elle contient aussi la peur. Il faut faire peur pour que les gens ne viennent pas. Et la conséquence, il n'y a pas de tourisme. La peur, comme l'a dit. Faire peur, hmm. il faut créer des situations. C'est le, le, ménagement de la terreur. De la terreur Oui. Il faut montrer qu'il y a la terreur ici, parce qu'on veut l'exploiter, cette région à autre façon. Il n'y a rien qui se passe mais on veut toujours donner l'impression que c'est une région où il y a le terrorisme. Que non. même, pour DIFA, si même des touristes français, des touristes américains embarquent aujourd'hui à Agadez, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Et je vous dis une chose, depuis 96, nous avons tous fait voyager. Nous sommes des voyagistes et nous voyageons beaucoup. Et depuis 96, toutes les ambassades du monde, de, de tous les pays, quoi, elles sont accessibles pour les touristes et, et même euh, annulent les visas parce que le tourisme c'est une industrie, ça rapporte. Vous enrichissez l'État parce que les mecs ils débarquent avec de la devise. Tu peux pas, toi euh, qui, n'as pas de moyens, interdire à quelqu'un qui t'enrichit de venir. Ça n'a pas de, ça n'a pas de logique. Depuis 96, les visas les plus chers jusqu'à aujourd'hui et les régions les plus déconseillées c'est Agadez. Avant qu'il n'y ait le terrorisme. Nous sommes au courant et nos clients le savent. On a des preuves et il y a des clients européens pour lesquels on a négocié des visas du Niger en Allemagne, en Suisse, en Italie. Et les visas du Niger étaient les plus chers. Avant les plus chers Oui, parce que c'est des instructions fermes. Un agent moi un avant 90, c'était quoi Pas 90. Un peu avant. Hein. Après 90, après, Barré. Oui. Après Barré. en 99, 97, 98, 99. Moi, j'ai amené des experts ici, des gens que je connais, pour que ça marche, le tourisme dans un État. Il faut que l'État lui-même fasse certains sacrifices. Il faut, il faut consentir des efforts. Comme l'Algérie, l'Algérie par exemple, pour relancer le tourisme. Pourtant, les gens n'ont pas oublié. À un moment donné, il y a les fils qui étaient en Algérie. Ils égorgeaient même les petits gamins. Mais aujourd'hui, c'est jusqu'à preuve de contraire, l'Algérie peut être conseillée. Elle est conseillée, c'est une destination conseillée. Elle n'est pas de conseil à 100%. Pourquoi Parce que l'Algérie tient à ce qu'elle récupère l'économie du tourisme. En, faisant des sacrifices, elle donne ses compagnies à des prix raisonnables, des vols. Donc les, clients et la les vols algériens à des très bons prix et il annule les visas. Donc les visas, il peut l'avoir à l'aéroport. Ce qui n'est pas le cas du Niger. Ce qui n'est pas le cas du Niger. Il n'y a pas une politique de visa. Il n'y a pas une vraie, un vrai engagement pour relancer le secteur du tourisme. Euh, Madame Azara, euh, vous avez géré une agence de tourisme, vous étiez dans le tourisme. Euh, aujourd'hui, c'est à plat. Quelle est la conséquence, par exemple, pour vous qui êtes dans le secteur, les jeunes, en termes d'emploi, en termes de vie de la région Écoute, tout est détruit. Hein tout est détruit. L'emploi, qu'est-ce qu'il y a comme emploi Il n'y a rien. Il n'y a rien. La région d'Agadez, elle est vraiment morte depuis euh, la fermeture du, tourisme à Agadez. Maintenant, la politique euh, de nos dirigeants nigériens, moi, je les trouve euh, de, ce côté-là pour, pour enrichir le pays d'une politique un peu souple qui qui vise à enrichir le pays. De, euh, nos dirigeants, je pense qu'ils sont un peu dans ce, côtés là sur ce côté. Parce que je me rappelle, nous avons un concile à Tamanrasset qui est presque un frère, qui, qui est au concile du Niger à taman euh, les années 93, 14, jusqu'à après, je ne me rappelle pas bien à quelle année il a quitté Tamanrasset. Il est venu négocier euh, les le dédouanement de, tout ce qui est alimentaire, dates et consorts qui viennent de l'Algérie. Il a été sollicité par les, commerçants de l'Algérie. Il, il est venu au Niger uniquement pour ça. Comme on est vraiment trop proche, c'est un frère à nous. Il est parti voir même les présidents, même les ministres, tout, pour négocier la politique qu'il faut vraiment appliquer et en fait les stratégies qu'il faut faire avec tout ce qui rentre de l'extérieur comme euh, les pâtes alimentaires, comme les dates, les simous, les marchandises toutes, les, marchandises qui, sont est vraiment des premières nécessités. Et euh, le Niger a complètement refusé, hein, complètement refusé d'appliquer cette euh, façon souple qui, d'aider c'est qu'il faut faire rentrer je peux vraiment euh, donner un exemple sur les dates. Ils ont mis euh, le dédouanement des, dates, quelque chose qui est plus que l'achat des dates même en Algérie. Et tout de suite, les mêmes commerçants, les mêmes camionneurs, ils sont retournés euh, aller au Mali. Et au Mali, c'était exonéré à cette époque-là parce qu'il y a la famine. Donc, ils ont facilité toute la rentrée des dates au Mali. Maintenant, pour nos commerçants de Niamey, ils achètent les dates à partir de Gao et Kidal. Hein. Donc je trouve que c'est nil comme vraiment, comme pensée, comme, comme je sais pas, comme politique. C'est comme ceux qui disent, ceux qui rentrent du côté libyen, c'est la même chose. Ceux qui rentrent au côté de l'Europe comme touristes, faciliter les visas, vraiment faciliter le, le comment dirais-je, les l'arrivée des touristes, par les visas, par beaucoup de choses, parce qu'ils vont investir dans les pays plus que les petits trucs qu'ils vont donner euh, aux visas. Donc je pense que c'est une politique que les Niger vraiment passent toujours à côté. Il faut qu'ils analysent ça, il faut qu'ils reviennent sur cette est la grande victime. Agadez est vraiment la grande victime. Euh, Monsieur Diallo, les conséquences pour la jeunesse de façon générale en termes <coughs> d'emploi, parce que quand même, <coughs> c'est une activité principale pour la région on sent que les jeunes de la BDS peuvent être très dangereux pour la paix. Je m'explique. Aujourd'hui, ces jeunes qui étaient un moment dans les rébellions ont été démobilisés, d'autres ont, eu leur réinsertion, d'autres non. On leur a promis moins et parce qu'au moment où je vous parle, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans le cadre de la réinsertion euh, des ex-combattants. Hmm. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui se sont rués vers les sites miniers, notamment Imouraren et autres. Qu'est-ce qui s'est passé on a fermé IMO. On a, on a réduit drastiquement le nombre d'employés locaux sur les mines eh, de la commune de la Somalie. Et tous ces beaux mondes... Mais entre-temps, il y a le Jado qui a commencé. Tous ces beaux mondes s'étaient rués vers le Jado. Parce que Dieu faisant bien les choses, Dieu a fait en sorte que l'or est, apparu au Jado. Tous ces jeunes d'Agadez se sont rués vers cet or. Mais voilà, de façon irréfléchie, permettez-moi le terme, on demande la fermeture au moment où des milliers et des milliers de jeunes, des gens venus de tous les horizons se sont agglutinés au Jadot, on décide la fermeture de ce Jadot. Tout ce beau monde est revenu dans les grandes villes comme Agadez pour se chercher une pitance. Voilà un peu un cocktail Molotov pour la sécurité à Agadez. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui à Agadez. Il y a une insécurité urbaine et périurbaine qui risque je vous l'ai dit, qui risque d'amener un réflexe euh, de, de, de, rejet de la population locale d'Agadez. El Kunchi, est-ce que c'est votre analyse quand même Le tourisme est à plat. Heureusement que le Diado est revenu avec l'or. Heureusement, Heureusement nous, ne dépendons pas que du tourisme. Heureusement qu'on a d'autres activités comme l'agriculture, l'élevage. La fermeture du Diado, c'était ça, c'était faire c'est condamnable C'était prévisible parce que d'ailleurs. Euh, euh, sur ce site-là, nous avons bien dénoncé, euh, nous avons bien dénoncé qu'il y avait plus des étrangers des pays voisins que des Nigériens. Donc autant à un moment donné, on s'est même dit que c'était nécessaire de les chasser et comme les autorités nigériennes ne veulent pas les chasser, ou certainement qu'ils ont un intérêt à les laisser parce que nous ne comprenons pas qu'eux, ils ne puissent pas assurer le quotidien des Nigériens. Si maintenant la nature euh, la l'assure ou les permet, la moindre des choses, c'est qu'eux, ils veillent, ils viabilisent ces sites et qu'ils sécurisent les Nigériens. Mais malheureusement, non, non, non, ils ont laissé des étrangers euh, s'accaparer de ces richesses et faire des affaires avec eux devant tout le monde. Cependant, pour le mm-hmm. tourisme, le tourisme ne peut pas reprendre. le tourisme, c'est un secteur très sensible. Donc euh, il suffit qu'il y ait les médias qui parlent mal d'une destination, la destination sera déconseillée. Donc ne voyez pas automatiquement une reprise du tourisme euh, parce que les, gens d'Agadez euh, vivent bien ou non. Non, non, non. Il y a un problème des médias qui sont maîtrisés par un lobby des impérialistes et qui les utilisent à leur sort. Nous allons écouter le, secrétaire général du gouvernorat qui appelle les populations à se mobiliser pour construire la paix, pour la consolider, pour construire la sécurité. Je vous propose de suivre le secrétaire général du gouvernorat, Yahya Goudi. La sécurité, c'est pas l'affaire seulement des autorités ou des FDS, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que nous sommes en train de, développer des stratégies à travers la haute autorité de la consolidation de la paix. Vous le savez, c'est-à-dire c'est pour créer une synergie entre civils et militaires. Parce qu'un militaire, tout soit ces armements, s'il n'a pas d'information, c'est presque un aveugle, n'est-ce pas Sa force est affaiblie. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser la population et nous sommes en train de le faire pour collaborer. Nous avons fait un tour vers Alit, Gougaram, Danet et Adrebisalat et nous, sommes, nous avons été surpris, n'est-ce pas, déjà de cette avancée, de cette contribution des populations qui, qui, a, qui, ne manque pas, qui a fait que pas, les, les FDS collaborent très bien avec la population et ils réussissent favorablement dans, leur mission. Le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez sur la recherche et la consolidation de la paix, la paix et encore la paix. Euh, Madame Azara, vous avez suivi le secrétaire général, ses conseils dans la mobilisation de la population. Que faut-il mettre en place Sur quoi il faut s'appuyer pour que cette sécurité, cette paix que vous vivez à Agadez soit une réalité davantage le gouvernorat peut vraiment euh, de temps en temps inviter les associations et, je pense euh, en les faisant, en leur mettant vraiment au courant de tout ce qu'ils ont besoin, je, pense que ça. Vous avez un peu critiqué le gouvernorat, l'État. Que faut-il faire pour euh, harmoniser ou de mettre, mettre ensemble développement et paix, développement et sécurité c'est ça, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas critiquer le gouvernement, mais j'ai dit que si vraiment ils, ils, associent toujours les associations qui sont là, les, la société civile, c'était de ça que ça. Leur observation, leur critique. Euh, c'est ça qui peut faire marcher vraiment la, sécurité. Donc, euh, c'est comme il l'a dit, c'est quelque chose euh, qu'il faut faire ensemble. Il n'y a pas que l'armée les porteurs de tennis qui peuvent le faire. Vraiment, la société civile est plus euh, utile et pourra vraiment amener la paix à se stabiliser. Monsieur le Oui, donc moi ce que je dirais par rapport euh, au discours du SG ou bien sa réaction est que il y a ce qu'il faut voir de très visible et ce qui est prévisible de, de, de, près aussi. cest à que on connaît l'histoire du Niger et à aucun moment de l'histoire, moi je pense que les conditions deux jours, alors qu'avant ça ne peut se faire que dans deux ans. Vous comprenez Donc toutes les conditions sont réunies pour pousser les gens qui sont tentés à déstabiliser ces pays-là. Mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils tiennent à la paix, la paix elle est sacrée. Vous voulez parler des jeunes, vous voulez parler Je parle surtout de la jeunesse qui est frustrée par ces, ces, ces comportements des dirigeants de, ces pays qui ne sont pas des patriotes. Le Niger a besoin de dirigeants qui aiment la patrie, qui savent c'est quoi les mal de la, de la région. C'est quoi le mal du pays C'est quoi ses avantages C'est quoi ses ressources C'est quoi sa jeunesse Quel est son avenir Quel cadre il faut créer pour les Nigériens Comment les viabiliser les régions Comment les sécuriser Comment mettre à profit nos richesses, Avec qui on va se traiter Tout ça, le Niger n'a pas la chance d'avoir des dirigeants qui aiment ces pays-là. Ça, c'est premièrement. Maintenant, au niveau local ici, rien ne peut se passer euh, tant qu'il n'y a pas le transfert de compétences aux élus locaux. La décentralisation l'oblige, la démocratie l'a permis. Nous l'avons trouvé, il est dans la constitution du Niger, on est en décentralisation, il n'y a pas de raison à ce qu'on s'accapare, euh, euh, on ne transfère pas les pouvoirs à nos élus pour qu'ils puissent décider, parce que ce sont les premiers à être censés maîtriser les priorités de la région. Et, qui, décide finalement C'est l'État, c'est les autorités. Régionales Non, non, non, politique, les gouvernants. C'est eux qui décident. Vous ne pouvez pas développer une région comme ça, qui fait deux fois à peu près euh, la, moitié du pays, et en, donnant, euh, en sous-traitant euh, à part des ONG ou des organismes de développement qui ne sont pas de la région. Tout vient de Niamey. Vous allez voir des ONG débarquer ici à Agadez avec d'énormes fonds et ils retournent avec des factures sans rien réaliser ici parce que les projets ne sont pas conçus par les populations elles-mêmes. Vous comprenez Ça, c'est très très inquiétant et ça fait des années que ça traîne. Maintenant, vous ne pouvez pas refuser de, vous enrichir sur un pays voisin qui est très puissant, qui est très riche, alors que vous, vous, êtes pauvre sans formaliser vos frontières avec ces pays. Et je disais tout à l'heure, il y a même un manque à gagner à l'État. Nous, ça nous rassure, parce qu'il suffit juste qu'on ait une frontière en bonne et due forme, la région va, euh, le commerce va reprendre, et il y a énormément de choses à gagner. L'État va, va, profiter. Vous allez conclure, euh, Diallo. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour concilier recherche de sécurité, de paix avec le développement, que vous dites qu'il y a quand même pas assez d'engagement pour le développement de la, de la région La région d'Agadez elle est immensément riche. Elle a des potentialités hydriques, géologiques. Elle est beaucoup, beaucoup riche. Mais il manque d'engagement politique. Merci pour cette conclusion. Un bon rapport entre les forces de l'ordre et les populations et puis mettre l'accent sur le développement euh, de, l'emploi au profit des jeunes. C'est un peu la conclusion pour que la sécurité règne à Agadez, pour que la paix règne à Agadez. Nous avons fait l'état des lieux de la sécurité dans la région d'Agadez avec nos invités, euh, la vice-présidente du réseau des femmes actives pour la paix, Madame Azara Atei, El Kounchi euh, Mohamed, promoteur d'agence de tourisme et spécialiste des questions sécuritaires dans le Nord, et le journaliste Ibrahim Manzou Diallo. Voilà, c'est la fin de ce forum. Merci de nous avoir suivis. Oui, bonne soirée. Mmh.